parti pour le journal de la campagne. Voici les titres. Face aux journalistes, Elage Issassal, tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement, a redéfini le rôle du député. Il a fait part aussi des propositions de loi que sa coalition compte proposer une fois à l'Assemblée. Il était l'invité de la rédaction dans le grand débat cher Bambadjé. À l'instar de plusieurs acteurs politiques, a laissé entendre que cette législature sortante est l'une des plus nulles dans l'histoire du Sénégal. Atouba Touba, cher Abdullah gagne des Fatma sort de son mutisme et annonce une remontée face aux autres adversaires et au niveau des actions politiques dans la ville sainte pour une victoire de leur coalition. Toujours dans la ville sainte, Ouad perd Sorna Adisek à quelques jours des législatives. Invité du débat sur votre site Dakaractu, Abdoulaye Baldé est revenu sur ses relations avec Karim Ouad ainsi que la venue de Abdoulaye Ouad. Le développement, c'est tout de suite. Face aux journalistes, la tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Elage Issassal a redéfini le rôle du député. Il a rappelé les prérogatives du parlementaire dans le même ordre d'idée. Il promet et milite pour un régime parlementaire au détriment du régime présidentiel qui, selon sa lecture, est révolu. Le député, son rôle, c'est de voter les lois. Alors les lois viennent d'où Les lois viennent de l'exécutif et du législatif. Si ça vient de l'exécutif, ce sont des projets de loi, et si ça vient du législatif, ce sont des propositions de loi. Donc le député ne peut pas se réveiller pour dire, écoutez, je vais faire la route Dakar-Conakry. Hein, ça, ce n'est pas l'objectif du député. Mais la route Dakar-Conakry ne peut pas se faire sans le député. Parce que pour faire cette route, il faut faire des lois, voter les lois pour que la route puisse être faite. Cela veut dire que euh, nous, nous avons dit que le député euh, est au centre du développement d'un pays et qu'à la limite, nous pensons même que les élections législatives sont hautement, nettement plus importantes que toute élection qui se passe dans un pays. Et j'ai eu l'occasion de dire à la télé qu'il y a des pays qui n'ont pas de président, il y a beaucoup de pays d'ailleurs, et ça a tendance à disparaître, la notion de président. Il faut commencer, oui, président. Beaucoup des pays les plus développés n'ont pas de président. Bon, vous, vous allez exclure les États-Unis qui ont Trump et la France qui ont Macron, mais sinon tous les autres pays développés n'ont pas de président. Vous n'en avez pas au Japon, vous n'en avez pas en Angleterre, vous n'en avez pas au Maroc, pour, pour citer certains pays de l'Afrique. Cher Bambadje, la tête de liste départementale de Manco, Tahaou saint lui annonce que cette législature est l'une des plus malheureuses dans l'histoire du Sénégal. Ce leader a également indiqué qu'il faut des députés de qualité à l'Assemblée nationale. C'est un moment extrêmement fort dans la vie nationale, parce que c'est le moment d'échanger dans la proximité avec euh, les populations pour leur faire partager et accepter le projet politique dont la coalition Mankota au Sénégal est porteur. Et surtout à l'aune de la situation actuelle de notre pays, en réalité, chaque Sénégalais déjà s'est fait une idée que cette législature est l'une des plus malheureuses que le Sénégal a eu à avoir. Et il est urgent pour les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, que l'on puisse opérer un changement. Et le meilleur changement, c'est de nous donner les moyens d'avoir des députés de qualité. Fort heureusement, euh, la coalition que je représente aujourd'hui est porteur de cette expertise parce qu'en notre sein, nous avons eu des gens qui ont déjà fréquenté l'Assemblée nationale et qui ont été capables de montrer aux Sénégalais euh, la capacité euh, de représenter valablement le peuple sénégalais. Je pense qu'il nous faut des députés de qualité. Il nous faut relever le niveau du jeu de l'Assemblée nationale et c'est ça aussi notre mission. Je pense que Manco au Sénégal, plus que toute autre coalition, est capable d'être à la hauteur et de remplir cette mission-là pour les Sénégalais. Je rêve d'un jour où nous aurons pour seule vocation de rattraper et de dépasser la Côte d'Ivoire en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de qualité de vie, en termes d'infrastructure, en termes de sérieux et d'engagement. Ça, c'est possible. C'est ça les challenges et c'est ça l'enjeu du combat de Mankotra au Sénégal. C'est pour cela que nous voulons la majorité à l'Assemblée nationale et j'espère vraiment que les Sénégalais soucieux de justice le jour du vote, se souviendront de Khalifa Sall, qui ne peut même pas exprimer sa voix, encore moins aller voter, et qui, dont le seul tort, c'est de vouloir le bien de son pays. À Touba, cher Abdullahad Makegendi Fatmon se réjouit du travail abattu par ses collaborateurs durant son absence. Il dira en passant que seule la coalition Benno Bokiyakar dispose d'un appareil politique et à faire des efforts pour gagner au soir du 30 juillet. Ce que je vois, wante yéen ay analyste politique ngeen xam ngeen ne appareil politique tey bu ñu koy tudd dans le département de Mbacké coalition benn bokk fi am bu ngeen jëlee Touba tey am na sept comités électoraux yoo xam ne ñëpp nañ benn ànd di liggéey man mi siège bi ma nekk la fa yëngutu man nga ko jàppe sa beneen comité électoral ndax lu day noonu ma nga fa bis bu ci dem nañ ci dem nañ ci fukki barab ak juróom yu bokk teg ñett yi nga xam ne man maa koy defal sama bopp boo dee Mbàkke am amoon nañ fa quelques difficultés ci ànd ba sunu borom saafara ko ñu dajee ñoom ñëpp ma ñaan leen ñu may ma ñu jël leen def leen ay président d'honneur wut am wut coordinateur maintenir commission yi nga dem ci àll bi foofu dem fekk comité électoral bi kon unité boobu nga xam ne am nañ ko ak remobilisation boobu nga xamante ne bii tey jii moo revigorer l'ensemble des militants nga xam ne barki dem ñoom ñëpp dañoo taxaw

Nous étions au PDS et nous avons suivi corps et âme pour sa massification. Mais nous avons été trahis et nous avons quitté définitivement ce parti, Pour ces législatives, nous sommes avec les Bénin qui, a, qui comme à sa tête de liste dans ce département, mon oncle cher Abdoubali Gaïde Fatma. Je lui voue du respect et s'il m'avait demandé en dehors des élections de travailler avec lui, je l'aurais fait. Il était l'invité du grand débattre sur Dakaractu. Actu. Abdoulaye Baldé est revenu sur l'arrivée du pape du Sopi. Pour lui, la politique, ce n'est pas une question d'âge. Parlant de son fils Karim Ouad, le chef de file de cas de Askanui, estime qu'on peut être des amis et avoir des ambitions différentes. On peut être des amis et euh, avoir des ambitions différentes. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. Euh, je pense qu'il faut mettre, il faut faire sérieux ce que la politique et les relations amicales. Euh, dans la politique, chacun manifeste ses ambitions. Karim a une ambition d'être président, moi j'ai la mienne. Ça n'empêche pas qu'on a des relations amicales très, très serrées, soudées. Vous savez que la politique, c'est comme le mariage ou autre chose, il n'y a pas d'âge. Donc, euh, tant qu'on a la force de, euh, la force de ses idées, qu'on a toujours la capacité de se mouvoir, on peut toujours faire de la politique. Bon, maintenant, chacun peut interpréter. Mais je pense que lui-même, il est assez grand pour décider et nous, nous à sa place. Je suis plus au PDS, suis, j'ai ma propre mention politique. Euh, comme je l'ai dit, Abdoulaye Wade, c'est notre père à nous tous. Euh, moi, je suis très content de le voir, de le voir, de le revoir. Il est en pleine forme. Je l'avais déjà vu en France et je vois qu'il tient toujours. Je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Euh, qu'à cet âge, qu'on ait encore cette envie de, d'encore davantage d'être auprès de son peuple. moi, je l'encourage. Bon, il est dans sa coalition, il est tête de, de, coalition, moi je suis tête de l'édition d'une C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. D'ici là, restez connectés sur Dakar Actu.